cette année. Ces productions, nous ne les avons jamais vues au Sénégal. C'est dû à quoi Ok, une bonne pluviométrie, mais également une approche en termes de semences, en termes d'intrants, etc. D'accompagnement, une mécanisation de notre agriculture. C'est ça qui nous, nous vaut actuellement ces performances au plan euh, production agricole et de céréales. C'est-à-dire, le monde rural actuellement, on parle même de l'arachide, le prix de l'arachide qui est à 250 francs, mais les, les, agriculteurs vendent ça à 300, 350 francs. Ce sont des ressources. Le ministre de l'Agriculture disait, minimum cette année, les agriculteurs, les producteurs d'arachide sont assis sur un matelas de 600 milliards. 450 milliards pour l'arachide et 150 milliards pour le foin, C'est évalué à 150 milliards cette année sans compter les autres spéculations, etc. Donc, c'est ça l'œuvre du, président Macky Sall qui continue à travailler dans le sens de l'équité. Le d'été aussi nous impose de changer de vocabulaire. Nous devons intégrer dans notre vocabulaire certains termes que nous n'avions peut-être pas l'habitude d'utiliser. Les métropoles d'équilibre. Nous devons comprendre ce que c'est. Je pense que la note l'a bien expliqué. la métropole internationale, Dakar, quand on dit Dakar, ça va jusqu'au vers C'est toute cette zone-là qui est métropole internationale. Ensuite, euh, on parle de métropole d'équilibre, de, métropole régionale, etc. Tout ça, ce sont des concepts nouveaux pour la plupart, peut-être anciens pour euh, certains, mais qu'il va falloir intégrer. Les, les zones de grande affectation également, il faut qu'on l'intègre. La région de Saint-Louis, c'est la GA1, la GA2, la GA4, la GA13. nous vont savoir ce que c'est. Parce qu'il y a GA1 jusqu'à GA14, grande affectation. Nous devons comprendre ce que cela euh, signifie sur les cultures irriguées, sur la pêche continentale, sur l'aquaculture, sur l'élevage, sur la pêche maritime, etc., sur l'exploitation du pétrole et des gaz. Toutes les zones sont identifiées et c'est mesurable. On sait où commence telle zone, où, où se termine telle zone. C'est ça également le plan national d'aménagement du territoire. Le visa de localisation, c'est extrêmement important aussi. Les zones d'aménagement différées, pour éviter qu'on vienne s'installer sur les zones où il y, aura des projets dans 10, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et les sécuriser. L'Observatoire national du territoire, également un, mot qu'il faudrait que nous puissions tous retenir, etc. Donc toutes ces problématiques ont été prises en compte dans le plan national d'aménagement et de développement des territoires. Il va falloir donc un effort important, parce que ça ne sert à rien qu'on ait un plan national d'aménagement et de développement des territoires. On fait bien un CRD ici à Saint-Louis, et après, bon, on continue à faire comme si ce plan-là n'existait pas. Si le président Macky Sall insiste pour une vulgarisation du plan, c'est pour que nous nous approprions ce plan-là à tous les niveaux. Gouverneur, préfet, sous-préfet, président du conseil départemental, maire, des services régionaux, etc. Qu'on ait conscience que dorénavant, pour chaque projet, nous devons voir sa conformité par rapport au PNADT. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, par rapport à certaines préoccupations qui sont évoquées ici, notamment les incohérences territoriales. Incohérence territoriale, Sénégal na ko c'est une vérité absolue Nous sommes tëggee suñu collectivités yi am problème mais avons ni en 1872 ñaari commune rek ñoo amoon Sénégal Gorée et Saint-Louis communes ensuite Rufisque nous créé c'est un décret du 12 juin 1880 qui a créé la commune de Rufisque mais Rufisque dafa demoon ba ñun suñu côté Il faut le Rufisque la woon ba ba le Donc toute cette zone là c'était Rufisque ensuite en nous créons créé communauté rurale La communauté rurale 1972 le conseil créé mais quand il est créé commune créé ensemble de village à l'époque pour définir de manière précise dañ commune tel mais mais fan le limite amul kenn jamono kenn commune seules les communes avaient quelques communes des coordonnées bien précises jamono fay dox té ku yor pouvoir diko exercer da ngay xol toujours fan la intérêt dëkk bi fété fan la intérêt population fété nga def un équilibre par rapport à ça exercer pouvoir dafa metti doo ko xool ci sa bop yow rek da ngay xol ci njariñu askan bi tay ak ëllëg parce que amul ben maire bo xamni ni nga maire éternellement man mi mer may mer sangal kam tay ëlëb duma ko doni bisa nga ñew duma nekati mer bisa nga ñew duma nekati ministre bisa nga ñew sax dañuy gën aduna bi dem suñu borom yobuñu ndax mom moñu sak moñu jël